le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du Il est 18h15 à Niamey, l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum de studio Kalangou a pour thème Griade à l'occasion de la Tabaski au Niger quelle alternative face à l'utilisation du bois de chauffe Pays d'élevage avec une population à majorité musulmane, le Niger célèbre chaque année la Tabaski. À l'occasion, ce sont des centaines de milliers de moutons et d'autres ruminants qui sont sacrifiés. Ces rituels donnent lieu à des grillades de viande à l'aide du bois de chauffe utilisé par plus de 90% des ménages selon les services de l'environnement. Avec euh, nos invités, nous allons chercher à comprendre l'ampleur de la menace due à l'utilisation du bois de chauffe pour la grillade, mais aussi parler des alternatives disponibles pour préserver l'écosystème qui souffre des dégâts causés par l'homme. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir colonel Adamou Gibotraoré, directeur national de la protection de la nature et de l'équipement à la direction générale de l'environnement. Adamou bonsoir. Bonsoir. Zamnaou Tahirou, directeur général de la Société nationale de carbonisation du charbon minéral. Zamnaou Tahirou, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, écoutons d'abord euh, colonel Oumarou Alou Liman, ancien directeur euh, régional de l'environnement de Niamey. Si nous prenons le nombre de ménages au niveau donc de la région de qui est de 197 euh, 390 ménages, desquels nous allons donc déduire les ménages pauvres et vulnérables qui sont de l'ordre de 3,6%, nous parvenons à un chiffre donc de 197 077 ménages. Si nous faisons donc euh, un petit calcul où nous considérons qu'au niveau donc de chaque ménage, il y aura un montant pour le chef de ménage et un autre donc pour le reste de la famille, donc ça nous fait donc deux ménages. Il y a des familles, des ménages où c'est 3-4 moutons qui sont grillés. Donc prenons donc la base donc des deux moutons par ménage. Cela nous amène donc à plus de 95 000 moutons qu'il faut égorger. Et quand nous rapportons cela donc à ce, la quantité de bois qu'il faut pour guérir un seul mouton qui est de 121 kg, nous parvenons à un tonnage de 47 692 tonnes de bois qui sont brûlées pour la seule journée de Tabaski. Et cela représente un pourcentage de 18% par rapport donc à la consommation en bois de chauffe pour donc euh, la ville de Nami, qui est donc euh, la consommation annuelle est étant donc de 273 160 tonnes de bois. Donc vous voyez que pour la seule journée, c'est une quantité énorme qui est consommée. Cela nous amène donc à faire vraiment des propositions, de sensibiliser nos concitoyens, de s'orienter vers en tout cas euh, le charbon minéral qui coûte moins cher parce qu'avec un seul sac de 40 kg, vous pouvez griller donc trois moutons. Je pense que cela est bien possible et qu'il faut vraiment s'orienter vers cette source d'énergie qui est là, qui est disponible. Notre pays en regorge d'énormes quantités de ce charbon minéral pour lesquelles donc vraiment les populations auront donc euh, en utilisant ce charbon minéral préservé nos ressources. Colonel Adamou Jibotraoré, quel est le volume de bois de chauffe utilisé ces dernières années à Niamey ou sur l'ensemble du Niger à l'occasion de la fête de Tabaski Merci, Monsieur Mokhtar. Salam En général, ici au Niger, euh, euh, le bois de chauffe, en tout cas, est la principale effectivement, énergie que peut procurer, en tout cas, euh, facilement toutes les bourses. Et, du coup, effectivement, il représente l'énergie le plus utilisée en tout cas que ce soit en milieu rural et en milieu urbain, à hauteur de 90% des ménages ici au Niger. Donc ça, c'est une étude qu'il a démontré. Donc pour revenir effectivement euh, sur votre euh, question, donc j'ai suivi avec attention effectivement euh, notre collègue Omar Alou, ce qu'il avait dit, effectivement c'est une réalité. Ce qui fait que on a constaté, et vous n'êtes pas, nous ne sommes pas les seuls, tout le monde d'ailleurs, même le, le paysan lambda l'a constaté que durant le mois de Tabaski, effectivement, du moins sur le jour de Tabaski surtout, et la consommation en tout cas euh, de bois énergie est doublée, voire triplée dans certains cas. Compte tenu effectivement de tout ce que effectivement, je ne reviens pas sur ce qu'il a dit, c'est une réalité qu'il a dit. Ce qui fait que effectivement, euh, pour la, seule euh, journée, la consommation est presque doublée. La consommation annuelle en temps normal est presque doublée en tout cas sur toute l'étendue du territoire, surtout les endroits, effectivement, plus précisément les endroits où effectivement les gens font la grillade. Il y a, donc, il y a la grillade, il y a les préparations de, comment on appelle, euh, la, cuisson. Euh, de, la cuisson, etc. Tout ça, effectivement, c'est une journée où vraiment, une journée consommatrice de bois de feu. pour ce qui est de Niamey, effectivement, comme il l'a dit, donc je ne reviens pas, je dis là-dessus parce que effectivement ce qu'il a dit est vrai. La consommation, en tout cas pour Niamey seulement, est estimée dans les 263 193 tonnes. Voyez-vous, s'il faut l'extrapoler, en tout cas au niveau euh, national, ça fait, euh, on a fait des calculs, ça tourne autour de 700 et quelques 1000 euh, tonnes effectivement par an que on utilise à l'échelle nationale. Est-ce que c'est une menace pour l'environnement C'est une menace effectivement. C'est une menace, c'est ce qui fait que effectivement nous ne sommes pas restés en tout cas différents à cette chose. Il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être menées. On revient certainement là-dessus par rapport en tout cas au cri d'alarme, parce que cette crise d'alarme-là, ce pas seulement à notre niveau, c'est au niveau politique même, ça se dit, et au niveau international. Donc, euh, c'est des trucs qui sont en train d'être euh, étudiés pour qu'on puisse voir. Parce qu'en fait, euh, le gaspillage du cerveau ou du moins l'économie de nos, de nos ressources naturelles, n'est pas seulement du ressort du forestier, comme les gens le pensent. C'est aussi du ressort de la population il faudrait que cette population, comme tout le monde doit le savoir, que cette population change de comportement pour qu'on puisse vraiment aller, qu'on ait d'abord la même vision et qu'on aille en tout cas euh, dans le même euh, sens. En dehors de ça même, il y a aussi le charbon euh, de bois que effectivement la population utilise. Pour ce qui est de Niamey seulement, donc il y a 6300 tonnes qui est utilisées, effectivement par an. Donc ça, c'est effectivement une étude qu'on a menée en 2015. C'est les données qu'on a, les données les plus récentes, ça que je suis en train de vous présenter ici. Donc, euh, c'est sûr que si on, va avec euh, un taux d'accroissement, en tout cas de 5,5, et multiplie les 2-3 ans qui ont augmenté, effectivement, ça doit aller un peu moins de 10, euh, 000 tonnes, c'est sûr. Donc, voilà ce que j'ai à dire par rapport, effectivement, à la consommation de bois pour ceux que de la ville de Niamey, voir le cas général du Niger. Colonel Adamou les chiffres sont-ils en baisse ou en hausse d'année en année Effectivement, les chiffres effectivement, sont en hausse parce que compte tenu de la démographie et des besoins qui se font sentir, parce qu'au fait, bien qu'il y a des sociétés ou des, particuliers qui s'intéressent en tout cas à sensibiliser la population, le, nœud du problème ne se situe pas effectivement. Ça se situe au niveau des populations qui ont vraiment du mal à changer de comportement ce qui fait que c'est vraiment très difficile de changer une personne pour une adoption surtout, en tout cas de feu. Surtout que pour eux, le bois de feu avait déjà, c'est, comment on appelle là, a déjà démontré ses performances. Pour le faire changer du bois de feu au charbon de bois, bois c'est tout un processus. Hein. C'est un processus à long terme. Et en ce moment, nous qui sommes effectivement les acteurs euh, de, la chose, y compris effectivement les euh, secteurs privés qui s'intéressent, on ne devrait pas baisser les bras, on devrait persévérer pour pouvoir vraiment aller atteindre euh, l'objectif recherché, surtout la préservation effectivement de nos ressources, en prônant effectivement l'utilisation d'autres sources d'énergie. est que tel que effectivement le charbon minéral, tel que vous venez de, le dire, ça c'est plus que chose, parce que si nous voulons vraiment sauvegarder le peu qui reste, parce que je dis le peu qui reste dans le temps, les forêts, c'est pas même à bord des, des environs de Niamey, c'était des forêts. Mais maintenant, pour avoir une forêt ou une galerie forestière, il faut parcourir des milliers de kilomètres. Et ça, c'est un problème. Colonel Adamou Jibotraoré, quelle est la quantité autorisée par vos services Au fait, euh, il n'y a pas une quantité qui est autorisée, mais il y a une quantité qui est autorisée par personne par mois, que nous, on autorise. C'est un stère par personne par mois, que la personne, on suppose qu'une famille de cette personne, en tout cas, ça c'est la loi aussi qui l'a dit, et elle doit, et du moins c'est l'ordonnance 92-037 qui l'a effectivement stipulé, qu'une personne a droit en tout cas à utiliser un ster par mois. Un ster, ça veut dire un ster, c'est-à-dire, euh, ça, c'est les mesures de, de, ah les mesures de, nos, ah, <laughs> de, la quantification de nos, de nos bois. Donc, c'est ça, un mètre cube euh, de bois qu'on appelle un ster. Donc, c'est ça qui est autorisé pour une famille, pour un ménage de, de cette personnes. Ça, c'est ça la loi. Mais néanmoins, compte tenu du fait que les gens sont tellement attachés, en tout cas, euh, à l'utilisation du bois, cela, effectivement, part, en tout cas, au-delà de ça ça peut aller jusqu'à 5 ou vers 7 stères par mois que les familles brûlent, uniquement pour la cuisson et autres. Que faites-vous pour le respect des normes en vigueur au Niger Donc, euh, pour le respect des normes, effectivement, donc, nos politiques nous, nous exhortent effectivement à, utiliser, en tout cas, appliquer la loi qui s'affaire, en tout cas, qui affaire à ça. Donc, les normes, effectivement, nous donnent non seulement à l'application de loi, nous, effectivement, à notre niveau, qu'on est en train de vouloir mettre en œuvre. Mais l'application de la loi veut effectivement qu'on se dote, en tout cas, un certain nombre de moyens, qui est, en l'occurrence, effectivement, les moyens humains dont on avait bénéficié effectivement de la loi de programmation qui nous a permis effectivement d'avoir des moyens humains, en tout cas autour de 5 ans. Et donc même il y a une promotion qui attend à être euh, opérationnelle. Et en dehors de ça, il y a des outils de travail effectivement qui ont été mis en place donc que nous on se dote pour pouvoir faciliter effectivement notre travail, en l'occurrence les lois et textes en vigueur, pour pouvoir vraiment contrecarrer et amener la population effectivement à se conformer à cette loi. Néanmoins, en dehors de tout ça, effectivement, il y a la sensibilisation qu'on est en train de faire. Et tout ça, c'est des moyens qu'on se dote. En dehors de ça aussi, pour prôner effectivement à la reconstitution des choses, il y a des projets du moins, il y a l'État et les projets effectivement qui s'y mettent pour pouvoir reconstituer, reconstituer. D'abord, préserver et reconstituer effectivement ce qu'on a perdu. Colonel, avez-vous aujourd'hui les moyens nécessaires pour euh, faire appliquer la loi Effectivement, on s'est doté de ces moyens, parce que non seulement pour appliquer cette loi, il faudrait obligatoirement effectivement avoir des moyens humains. Et les moyens humains, je pense qu'à l'heure actuelle, bien qu'insuffisants, effectivement, ce qu'on a pu, ce que l'État a pu quand même nous mettre à, notre disposition, en train de, de travailler avec. En dehors de ces moyens humains, il y a le moyen matériel aussi, qui actuellement, effectivement, sont, euh, du moins, c'est la même loi qui nous a doté les moyens humains et les moyens matériels. Donc, euh, en dehors de ça, nous avons effectivement une stratégie. La stratégie, c'est quoi Donc, c'est le contrôle que nous, on a fait. Ce contrôle, là, s'exerce au fond, fond même de notre pays, du fait que jusqu'au-delà même des communes, parce qu'en fait, on a des, des postes forestiers qui sont dotés d'agents forestiers qui sont chargés, effectivement, non seulement du contrôle, et effectivement des actions de développement telles que la récupération des terres, etc. Donc au niveau, par exemple, des, des, agglomérations, à ce niveau, effectivement, le contrôle se fait de la sorte. au niveau de chaque entrée, il y a des agents de contrôle qui sont tenus, qui sont placés pour pouvoir vraiment contrôler le flux du bois et voir effectivement et, dans quelle mesure effectivement les gens vont pouvoir se conformer en tout cas parce qu'au fait interdire l'entrée du bois ça va effectivement constituer beaucoup de problèmes du fait que on n'a pas cette programme, mais on fait en sorte que effectivement ça soit que les textes, les lois et les textes puissent être suivis par les citoyens. Donc c'est euh, ces points de contrôle effectivement donc vont effectivement et sont du moins en train de contrôler les flux de bois et des autres produits forestiers, pas seulement le bois, les autres produits forestiers qui constituent effectivement des moyens de trafic et de revenus pour certaines choses. Donc voyez, effectivement les moyens qu'on s'est dotés en dehors effectivement de la loi qui dit que tout celui qui ne se conforme pas assez, euh, directive en tout cas de, nos textes, et peut s'exposer en tout cas euh, à la rigueur de la loi. Donc il peut aller en tout cas euh, de la de l'amende la transaction jusqu'au niveau en des saisies des moyens qui sont utilisés pour pouvoir vraiment faire le truc. Donc voilà effectivement les moyens que en tout cas nos services ou l'État nous a dotés effectivement pour pouvoir vraiment essayer de faire le contrôle comme ça se doit. quels sont les avantages de l'utilisation du charbon minéral euh, d'abord, euh, je dois vous dire que le charbon minéral euh, carbonisé est un produit dérivé du charbon minéral qui est extrait par la, société nigérienne de charbon, la Sonichar. Donc c'est ce charbon-là qu'on prend. Et ce charbon se présente sous forme de deux couches, la couche A et la couche B. La couche A est une couche très pauvre de 53% de cendres et la couche B est la couche donc la plus riche qui, à l'état brut, présente à peu près 45% de cendres. Donc c'est cette couche-là qu'on prélève et qu'on carbonise pour mettre à la disposition des ménages. Vous vous demandez les avantages, de l'utilisation du charbon minéral. D'abord, son prix. Parce que le charbon minéral est conditionné dans des, dans des sacs de 40 kg. Et le sac de 40 kg est vendu à 2500 francs. Quand vous faites l'équivalence entre le charbon minéral et le bois, ou le charbon de bois. Le pouvoir, on, part d'abord du point de vue pouvoir calorifique. Le pouvoir calorifique du charbon minéral est de 4800 kcal par kilogramme, alors que pour le bois, c'est autour de 1500 kcal par kilogramme. Ça veut dire que avec 1 kg de charbon minéral, ce que vous pouvez faire en termes de cuisine, il vous faut 3 kg de charbon de bois. Et on sait aussi que pour avoir 1 kg de charbon de bois, il faut brûler 7 kg de bois. Voilà, donc vous voyez que 1 kg de charbon minéral correspond à 21 kg de bois. Quand vous ramenez le prix du sac, euh, le prix du kilogramme au kilogramme, le kilogramme de charbon de bois, de charbon minéral ne coûte que 60 francs. Or, 21 kg de bois, vous connaissez le <laughs> le prix du bois sur le marché, J'espère que vous ne pouvez pas l'avoir à moins de 500, 600 ou même plus. Voilà, donc ça vraiment c'est un avantage certain du charbon minéral euh, carbonisé. Un second avantage, c'est que le charbon minéral en combustion ne dégage pas de la fumée. Donc, pendant toute la durée de la cuisson, il n'y a aucune trace de fumée qu'on peut observer. Donc ça, c'est extrêmement important euh, pour euh, la santé de nos populations le troisième avantage du charbon minéral, c'est que tu peux faire de la récupération. Quand tu utilises du charbon minéral pour ta cuisine, le reste de charbon qui n'a pas été consommé, tu le récupères pour réutiliser autant de fois que tu veux. Monsieur le directeur général, pour la Tabaski 2019, est-ce que vous disposez d'une quantité euh, de charbon minéral pouvant couvrir les besoins des populations La réponse est non. Parce que comme le vient de le dire le colonel, euh, les besoins de la ville de Niamey sont énormes. C'est environ 190 000, 200 000 foyers qui font de la tabaski. Même si chaque ménage utilise un sac, ça fait donc 200 000 sacs de charbon. Et 200 000 sacs de charbon, c'est à peu près 8 000 tonnes de charbon minéral. Or, nous, en ce moment, notre production tourne autour de 1 1500 tonnes de charbon minéral par an et pour tous les besoins de nationaux. Ce n'est pas euh, uniquement pour la Tabaski. Pourquoi cela, monsieur le directeur euh, D'abord, parce que euh, l'usine de carbonisation de charbon minéral est un prototype. C'est vraiment une usine pilote que les Canadiens ont installée pour voir si le charbon minéral carbonisé là, peut être transformé pour être utilisé dans les ménages. Donc vraiment, c'est un prototype, ce n'est pas une, usine à grande échelle. Donc si on passe à une usine à, grande échelle, oui, en ce moment, on peut couvrir les, charbons, les besoins de, des populations puisque le charbon minéral est disponible dans la, dans la région. L'année dernière, beaucoup de Niameyens avaient voulu utiliser le charbon minéral pour la grillade, mais il était insuffisant, voire même invisible sur le marché. Quel était le problème et que faites-vous pour rendre ce charbon disponible dans les prochains jours avant la Tabaski Bien, l'année dernière, effectivement, euh, nous avons été confrontés à un problème. C'est qu'au moment où on avait commencé à faire remonter le charbon sur Niamey, l'hivernage s'était déjà installé. Donc, vous connaissez les zones d'Agadez, c'est des zones euh, dans lesquelles il y a des grands quarries qui passent. Et ces quarries-là ont bloqué nos camions, notamment le quarry Telwa qui est situé donc à l'entrée d'Agadez. Ces camions sont restés au bord du quarry pendant plus d'une semaine. Et ça, correspondait vraiment à la période où on avait besoin du charbon à Niamey. Et ces camions ne sont rentrés qu'après la fête de la Tabaski. Cette année, nous avons pris des dispositions parce qu'on a commencé à ravitailler Agadez et euh, Niamey avant le, début des grandes pluies. Ce qui fait que euh, je ne peux pas dire qu'on a des quantités qui peuvent suffire à la population de Niamey, mais on a des quantités importantes qui équivalent à peu près à quatre fois ce qu'on avait mis sur le marché l'année dernière. Donc ça veut dire que le charbon est disponible à travers des points de vente Il est disponible dans trois communes nous avons des distributeurs, la commune 1, la commune 4 et la, et la commune 5. Euh, nous avons donc installé euh, des, distributeurs, c'est donc nos, les correspondants de SNCC, que nous fournissons en charbon. Et c'est à ces distributeurs-là de créer leur point de vente dans les quartiers. Donc, vraiment, c'est une initiative qui a commencé il n'y a pas très longtemps. Donc, on ne peut pas voir en ce moment le charbon dans tous les quartiers, mais dans certains quartiers de ces trois communes-là, le charbon est disponible même au niveau des points de vente. Mmh. Sinon, c'est dans nos magasins à, en zone industrielle, donc euh, Ngagam Calais, face douane. Voilà, c'est là-bas qu'on a nos magasins et nous avons déjà démarré l'opération de vente de charbon depuis le 18 juillet. Donc ceux qui veulent payer leur charbon peuvent le faire en ce moment même. Ce n'est pas la peine d'attendre à deux jours de la Tabaski pour venir. Et ça nous permettra de recevoir, parce qu'on a encore des camions qui ont quitté Kirozérine qui sont en train de venir. Ça, ça nous permettra donc d'avoir de la place pour décharger ces camions-là. Euh, nous sommes en période d'hivernage. Beaucoup pensent que quand ils achètent ce charbon-là, après la pluie, ce charbon-là ne peut plus être utilisé. Que pensez-vous le charbon minéral, euh, sous sa forme naturelle même, il est trempé dans de l'eau parce qu'il est, il est extrait à 40 km, euh, à 40 mètres plutôt, 40 mètres de euh, sous-sol. Donc ça veut dire que le charbon n'a pas peur d'être mouillé. Même mouillé, même mouillé, vous pouvez l'allumer. Ça, ça, vraiment, c'est une caractéristique du charbon minéral. C'est pas comme le bois où quand il est mouillé, tu ne peux absolument rien faire. Mais le charbon minéral, même mouillé, si tu suis la procédure d'allumage, tu peux l'allumer. Nous avons aussi sur ce plateau Issa Garba, qui est le coordonnateur du réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique. Issa Garba, quelles sont les actions menées par votre association pour la gestion rationnelle de nos forêts Bonjour Mokhtar, euh, bonjour pour l'invitation. et Je dis également bonjour à monsieur le directeur et le colonel des eaux forêts qui certainement représente le ministère de l'Environnement ou la, la, DGF. En ce qui concerne euh, ta question, ce que nous faisons euh, pour le respect ou bien la protection de l'environnement en tant que ONG ou association qui lutte dans le domaine, nous faisons d'abord ce qu'on appelle la, GDT, la gestion durable des terres, c'est-à-dire qui constitue à faire des demi-lunes, les banquettes, euh, pour pouvoir restaurer la terre et en même temps planter des arbres pour pouvoir capter et séquestrer le carbone à travers des projets qui sont des projets NAMA, qui nous pensons que dans l'avenir pouvaient être vraiment très bénéfiques pour nous parce que nous sommes en train de rentrer dans la phase de neutralité carbone, dans les crédits carbone et le Niger va continuer à demeurer puis carbone, ce qui normalement, doit nous procurer beaucoup ou bien énormément d'argent, bien que sur le marché international, c'est insuffisant, ou bien les projets même qui rentrent dans ce cadre-là, le Niger ne bénéficie pas grand-chose. Et en dehors de ça, eh, nous faisons la sensibilisation des citoyens, des populations, à surtout à savoir l'utilité des, des différentes euh, plantes qui, médicinales, économiques, parce que c'est la seule manière pour pouvoir amener les citoyens à prendre soin de ces plantes-là. Parce que quand tu ne montres pas l'intérêt de la plante pour l'être humain, il ne va pas il ne va pas en prendre soin. Il va penser que bon, c'est négligeable, il faut le couper, c'est inutile. Mais alors que chaque plante a une utilité, il faut tout simplement sensibiliser les gens à comprendre l'utilité déjà. Il y a aussi la sensibilisation et la formation, surtout des agriculteurs, en ce qui concerne la RNA, qui est la régénération naturelle assistée. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez par exemple la zone de Kouré où nous avons eh, beaucoup de girafes, eh, nous sensibilisons les, les communautés à privilégier vraiment la RNA pour pouvoir maintenir non seulement le sol, enrichir le sol et trouver encore du fourrage pour euh, les girafes que nous avons parce qu'ils bénéficient du tourisme, des retombées du tourisme dans la, la localité. Donc il est important qu'ils puissent euh, en prendre conscience, protéger leur cadre de vie. En dehors de ça, nous faisons nous-mêmes de la plantation. Nous faisons ce qu'on appelle les camps chantiers des jeunes. Malheureusement, nous ne bénéficions pas de l'appui spécifiquement de l'État comme au Burkina Faso, où au Burkina Faso, il y a des centaines, des, des centaines même de milliers de camps chantiers qui sont organisés par an. Ils ont même mis ce qu'on appelle l'opération 105-10, c'est-à-dire de 65 ans à 10 ans, c'est toute une semaine de plantation d'arbres au Burkina. C'est une semaine, on l'appelle 105-10. Et au Burkina, nous, nous participons, nous payons en tant que citoyens étrangers à participer au Burkina pour apprendre les méthodes de comment on organise un camp chantier, comment. Et nous passons durant deux semaines à planter et tu ne peux même pas regarder nos mains. Et nous payons 25 000 francs pour travailler pour eux. La trouaison, la plantation, tout ça là. Mais ici, même si nous avons voulu tester ça, euh, pour pouvoir organiser ça, même à 2 000 francs, nous n'avons pas pu retrouver. En dehors de nos membres, nous n'avons pas trouvé, donc on était obligé de laisser le projet. Donc, même dans le cadre de la protection de l'environnement, ça fait trois ans que nous menons une campagne de sensibilisation, une campagne de promotion même de l'utilisation de ce charbon minéral-là, parce que nous avons vu la quantité de, de bois qui est utilisé, ne serait-ce que la fête de Tabaski, alors qu'il n'y a pas de compensation quand vous regardez, ne serait-ce que même pour la journée de l'arbre, la fête de l'arbre qui est célébrée au moins chaque année, on ne plante pas autant d'arbres que ce que nous utilisons le jour de la fête de Tabaski. Parce que aujourd'hui, la fête de l'arbre est abandonnée et devenue juste une journée plus ou moins politique. c'est Selon Issa Non, c'est même ça aujourd'hui. Parce qu'auparavant, quand nous, nous étions enfants, je veux dire, quand nous étions enfants, quand vous sortez le 3 août, à la devanture de toutes les maisons, vous allez trouver au moins des sachets noirs, des plans. Nos parents, la veille déjà, ils amènent, ils nous, ils nous demandent de faire le trou, le lendemain, tout ça là. Et aujourd'hui, vous avez peu de voir, c'est peu de voir, même dans les établissements scolaires bosquets. Des bosquets, il n'y en a pas, mais nous sommes, ça fait au moins deux ans aussi que nous sommes en train de créer des, ce, qu'on appelle ce que nous appelons les clubs verts au niveau des établissements pour pouvoir développer cet aspect-là au niveau, au niveau de ces, de ces cadres scolaires-là. Issa Garba, est-il aujourd'hui facile de stopper euh, ce fléau quand on sait que les mauvaises habitudes ont la vie dure, notamment chez les censés donner le bon exemple oui, on peut bel et bien, moi je crois, moi je ne suis pas pessimiste, euh, je ne suis pas climato-pessimiste ni environnementalo-pessimiste. Je sais que nous sommes des êtres humains si nous décidons de faire. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'habits que la loi interdit, si la loi interdit, mais aujourd'hui le trafic de drogue, la loi la loi l'a interdit, mais il y a la répression. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup, il y a la loi cadre. Il suffit tout simplement de respecter la loi cadre. C'est ce que j'ai toujours dit. On n'a pas besoin, quand on, respecte la loi cadre, on n'a plus besoin d'un autre arrêté, d'un autre décret ou d'une autre loi pour recadrer notre cadre de vie, notre environnement. Il suffit tout simplement de respecter la loi cadre et appliquer le décret d'application. Il n'y aura aucun problème. Et il faut laisser ceux qui sont chargés de l'exécution ou bien de la mise en œuvre de ces lois-là, vraiment de, les leur donner la plénitude, de les laisser jouer leur rôle, de la plénitude de leur rôle. Mais quand le politique y met sa main, ça pose énormément de problèmes. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, quand tu prends l'exemple de la ceinture verte, vous allez trouver, on est en train de construire une maison. On n'arrête pas le, propriétaire de la maison ou bien le chef de chantier. On arrête, on arrête le maçon ou le manœuvre et on ramasse les bourrettes et les pelles, alors que le propriétaire de la maison qui est en train de construire la maison circule librement, tranquillement, et peut-être c'est un homme politique, et après il est influence, on libère les gens. Donc on n'arrête pas le mal à la racine, alors que c'est lui le mal, c'est lui la racine, il faut le couper. Donc moi je crois que si on aujourd'hui on applique la loi telle qu'elle est, il n'y aura aucun problème, il y aura du changement. Parce qu'il n'y a pas, parmi, même nos parents qui sont au village, ils vous parlent qu'aujourd'hui, il y a un problème. Parce qu'ils vous disent que euh, Walia ne vient plus autant et il ne quitte plus autant. C'est-à-dire ils, ont compris. Peu te disent qu'il y a des signes qu'ils lisaient sur leurs vaches qui aujourd'hui, les vaches même n'arrivent plus à, faire ces signes-là. Donc, ce qui veut dire que c'est ça le connaissances endogènes et autochtone Donc, eux-mêmes sont conscients qu'il y a un phénomène, donc ça ne va pas. Parce qu'eux-mêmes sont perturbés. Donc, on ne peut pas dire que nous ne pouvons pas prendre conscience, nous pouvons bel et bien prendre conscience. Il y a quelque part aussi, il faut revoir la politique énergétique, il faut la revoir. Carrément, il faut la revoir. Parce que le gaz, il faut la rendre disponible et accessible à tous les ménages. Il y a des ménages, ce n'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, mais ils ont peur des trucs d'accident. Mais il faut tout simplement les former sur l'utilisation. Le charbon, le charbon minéral, il faut aussi former les gens. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui te disent ah, c'est l'allumage qui pose énormément de problèmes. Il faut les former. Aujourd'hui, je te dit, ça fait trois ans que nous sommes en train de travailler sur euh, la promotion du charbon minéral. Le dimanche seulement, nous avons tenu une réunion, une réunion encore pour voir pour l'année 2019 ce que nous allons faire. Parce que nous faisons même des affiches, nous faisons même des trucs sur Facebook euh, pour, mobiliser les gens pour qu'il y ait de l'engouement vers le, charbon minéral, euh, euh, excusez-moi. Donc, et nous avons prévu dans notre planning, d'ici la fête de la fête de Tabaski, faire des missions foraines dans les quartiers de Niamey pour montrer aux gens comment on allume parce qu'il faut, il faut sensibiliser. Les gens, c'est parce ils ne connaissent pas. Peut-être quelqu'un, il a entendu, ah non, laisse tomber. C'est l'allumage qui pose énormément de problèmes. Donc, ils ne cherchent même pas à savoir d'abord, est-ce que je peux bien tenter de voir, est-ce que je peux l'allumer. Donc, maintenant, il faut amener les citoyens à comprendre que même l'allumage, il n'y a rien. C'est tout simplement technique ou bien il faut juste être patient de 2 minutes, 3 minutes pour voir le, feu, quoi. Colonel Adamou Jibotraoré, quels sont les risques si rien n'est fait dans les années à venir Effectivement, euh, les risques, il y en a. Vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, d'ailleurs, euh, il y a beaucoup de conséquences liées effectivement à, cette exploitation, en tout cas incontrôlée. Non, les, effets des changements climatiques. Hein. donc, euh, en dehors de ça, effectivement, il y a aussi les, les facteurs anthropiques, donc liés aux pratiques des hommes. Effectivement, en l'occurrence, cela c'est-à-dire les coupes là peuvent effectivement entraîner la disparition complète des espèces et des espèces actuellement, comme il l'a dit, des espèces médicinales, etc. Et même la diversité, c'est-à-dire la biodiversité, ça a un impact là-dessus. Et il y a aussi la dégradation effectivement de ces sols-là, donc ce qui fait que les terres sont, sont, vraiment exposées à, toutes les formes euh, euh dans le euh, lessivage. Voilà, en l'occurrence, euh, euh, les vents et les eaux. Donc, qui, dans tous les deux cas, effectivement, il y a le lessivage et le transport, effectivement, des, éléments minéraux, en exposant, effectivement, le sol, ce qui fait que les croûtes de battance ou les glacis se forment. À ce il faudrait effectivement revenir pour faire d'autres actions qui a été d'ailleurs cité par mon prédécesseur là. Et il y a aussi la baisse de la production agricole aussi. Ça, c'est vraiment des risques et des conséquences que ça entraîne, toutes ces, actions. Et il y a aussi la formation, comme, comment on appelle la, euh, dans certaines mesures, il y a aussi ce qu'on appelle euh, euh, le manque même de régénération naturelle. Parce que c'est avéré que si l'espèce est exploitée du jour au lendemain, effectivement, les semences manquent. Donc il n'y aura plus de régénération naturelle. Ce qui fait que les sols sont aussi exposés. Il y a aussi l'ensablement des cours d'eau, avec euh, les pertes en terre, c'est-à-dire les eaux en ruisselant, effectivement, charrient tout et les mettent dans les, euh, les cours d'eau. Ce qui fait qu'au euh, niveau des cours d'eau aussi, il y a la il y a vraiment beaucoup de problèmes qui s'opposent, en l'occurrence effectivement la perte en biodiversité au niveau halieutique. Il y a aussi l'envasement même du, cours d'eau. Et ensuite, il y a aussi la formation des plantes et des dunes de sable dans certains cas parce que l'État s'est rencontré au niveau des zones de, Zander et de choses, où effectivement, voilà, jusqu'à mainé Donc, euh, le long de la route, même, même, même celui qui ne connaît rien, il sait qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Il y a vraiment une dégradation avancée, avec les dunes qui prolifèrent un peu partout. Et ensuite, il y a aussi, et à tout ça là, s'ajoute effectivement le changement climatique, le changement, et variation climatique. Donc, vous connaissez effectivement ça, qui est actuellement derrière à la une, où on dit changement climatique, changement climatique, variation climatique, variation climatique. Effectivement, c'est un phénomène aussi qui s'ajoute à ces effets anthropiques qui créent des risques et des conséquences en tout cas sur notre, capital productif. Donc voilà, en gros, effectivement. Euh, Monsieur le directeur euh, Zamno Tahirou, quel est l'impact de l'utilisation du charbon minéral comparativement à l'exploitation du, du bois de chauffe si on doit considérer la, la période de la Tabaski de l'année dernière, euh, nous avions commercialisé 2380, je crois, 2300, autour de 2400 sacs de charbon de minéral. Donc nous avons tenté de faire une conversion, voir ce que ça représente euh, comme nombre d'arbres épargnés en s'inspirant du, rapport dont je viens de vous faire cas, c'est-à-dire un kilogramme de charbon minéral correspond à 21, 3, kg de charbon de bois. Et 3 kg de charbon de bois sont obtenus à partir de 21 kg de bois. Donc nous avons trouvé à peu près 4400 arbres. C'est-à-dire l'année dernière où même la Tabaski n'avait pas été sérieusement préparée. Donc, en termes d'arbres épargnés du fait d'injecter de, donc le charbon minéral sur le marché, ça nous a fait épargner à peu près la coupe de 4400 arbres. Donc, vous voyez que vraiment, eh, on, doit, on doit aller de l'avant. On doit faire en sorte que carrément l'utilisation du bois, mettre fin à l'utilisation du bois, ne serait-ce que pendant la période de, de Tabaski. Monsieur le directeur, est-ce que les populations nigériennes trouvent le prix du charbon minéral là abordable le prix du charbon minéral euh, est plus qu'abordable parce que c'est cédé donc à 2500 francs aux consommateurs, alors que nous, à la production, le, sac de 40 kg nous revient à 6400 à la production. Donc l'État euh, a demandé de céder le, sac à 2500 francs aux, consommateurs de manière à ce que tous les Nigériens puissent euh, s'approprier donc la consommation de ce charbon-là. Donc sur chaque sac vendu, on a une subvention de 3900 francs qui nous est versée, reversée par l'État. Donc mhm. vraiment, c'est un gros effort que l'État fait dans ce domaine. Issa Garba, quelles sont les autres sources d'énergie alternatives disponibles au Niger il eh, y a beaucoup de. Le Niger a toutes les potentialités énergétiques. Hein. Moi, je ne pense pas que il eh, y a une potentialité énergétique qui manque au Niger. Nous avons, eh, nous pouvons exploiter l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie solaire. C'est pourquoi le Niger, vous voyez, le Niger est le seul pays où vous pouvez voir le soleil, l'éclipse solaire au monde. Vous voyez comment, quand on parle d'éclipse solaire, comment les journalistes et les autres observateurs, astronautes viennent au Niger. Parce que le Niger, il, parce que le Niger est le seul pays où à 13 h tu as le soleil au zénith, au-dessus de ta tête. À 13 h tu as ça au-dessus de ta tête. Donc, il n'y a pas un pays qui peut exploiter le soleil plus que le Niger. Et peut-être si Dieu a donné le premier homme euh, d'énergie solaire, même ce n'est pas pour rien. Le Niger, quand vous prenez, nous avons deux tiers d'espace qui est désertique, où il n'y a que du vent. Nous pouvons, ce qui veut dire que nous pouvons véritablement exploiter de l'énergie éolienne. Le Niger, il y a du soleil, la terre chauffe. Donc ce qui veut dire que à partir de la terre, nous pouvons aussi produire de l'énergie géothermique. Et nous avons le barrage, nous, avons, nous avons la possibilité aussi de développer, tel que le barrage de Candage, pour développer l'énergie euh, l'énergie euh, hydro, hydro, hydroélectrique. hydroélectrique. Et nous avons aussi aujourd'hui euh, la source d'énergie la plus prisée, que ce soit en Europe ou en Occident, qui est l'uranium. Même si nous ne produisons que l'uranate, mais c'est l'uranate enrichi qui donne l'uranium. Mais malgré tout, avec tout ce que nous avons comme coopération et partenariat avec Areva, s'ils ne peuvent pas nous mettre dans ces conditions-là, moi je pense que ce n'est pas la peine de continuer. Donc toutes les sources. En dehors de ça, nous, nous avons développé une autre euh, source d'énergie à travers ce qu'on appelle la balle de riz que nous mettons en œuvre tout le long, aujourd'hui, tout le long de, du, fleuve. Niger, avec l'appui de l'ambassade de, France, avec le, euh, au début, c'était le, le, fax, le projet fax. Le fax est venu, maintenant, c'est avec le projet PISCA. Et dans sa deuxième, et nous sommes actuellement dans sa deuxième phase où la balle de riz, nous formons les femmes à comprendre. Parce que la balle de riz est derrière les maisons. Personne ne sait, avec, ça fait des montagnes et des montagnes, mais les gens ne l'utilisent pas ils ne savent pas comment l'utiliser. Alors, que, c'était une, source d'énergie. source d'énergie. Nous avons développé un four et, nous nous et ce four-là est utilisé. C'est vrai, la fabrication du four est, bien, très compliquée parce que si vous ratez les mesures, ne serait-ce que sur les mesures, ça va faire de la fumée. Mais si vous respectez les mesures, il n'y avait pas, il a pas de fumée, il n'y a que du feu et encore le sang qui est issu de, de cette combustion est utilisé comme engrais dans dans, les champs, les, de, les rizières encore. Donc, ça devient un cycle de, production. Donc, et aujourd'hui, toute la vallée du fleuve, j'ai vu, il y a même euh, un, projet qui nous a écrit CRS, qui ont un projet One million, qui nous ont écrit est-ce qu'ils peuvent acheter le four pour mettre à la disposition des populations. il n'y a aucun problème. Nous, nous avons mis, c'est vraiment si, c'est comme si vous, nous, vous contribuez euh, à, la promotion et ce que nous sommes en train de faire à, l'atteinte de nos objectifs. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez continuer à, le faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la promotion. Et ça fait deux ans ou trois ans que nous faisons. Nous avons même un groupe WhatsApp qu'on appelle Tabaski Écolo. Et je pense l'année passée, l'année passée, le ministre a même participé à une de nos actions de, de grillade de, ce que nous appelons grade écolo. Bien que certains nous disent que ce n'est pas écolo parce que c'est du charbon minéral, ça dégage du COD. c'est Oui, effectivement, ça dégage du CO2 Nous sommes conscients que ça dégage du CO2 Mais le fait que ça dégage du CO2 ne veut pas dire que nous ne pouvons pas utiliser. Mais arrêtons de couper le bois parce que le bois qui reste au moins peut capter et séquestrer ce que nous émettons. Parce que ça, ce n'est pas du charbon issu des arbres, de la forêt ou bien de la, de, de, de, de la flore. Mais ça, c'est du charbon minéral qui est extrait sous la terre. Donc, ça fait des années des années que c'est sous la terre. Donc, avec la chaleur, avec toute, euh, toute cette, cette déformation, s'est transformé en charbon. Donc, aujourd'hui, ça, nous avons ça, nous pouvons l'exploiter, que de couper les arbres et l'utiliser sous forme de charbon du moment où nous avons le charbon minéral. Le Niger est aussi un pays producteur de gaz le Niger est pays producteur de gaz, et, mais souvent, peut-être, je ne sais pas, c'est l'usine qui a une, capacité de, petite capacité de production qui n'est pas à grande échelle. Mais c'est que sûr, on doit revoir ce que j'ai dit tout à l'heure, notre politique énergétique, pour que vraiment l'énergie soit accessible dans, tous les, dans tous les ménages. Parce que tant que ce n'est pas ça, on ne pouvait pas aussi résoudre le problème, même si on applique la loi telle que je l'ai dit tantôt. Monsieur le directeur euh, Zamov Tahirou, quels sont vos conseils et recommandations pour une gestion rationnelle des forêts Mon conseil, c'est que les Nigériens euh, s'intéressent au charbon minéral carbonisé parce que c'est le produit qui est vraiment à même de substituer le bois, puisque c'est des propriétés qui sont euh, à peu près identiques et le, le mode d'utilisation également est à peu près similaire. Donc les Nigériens s'intéressent de plus en plus au, charbon minéral. Tout à l'heure, M. Issa disait que les gens sont réticents parce que le charbon minéral contient du CO2. Je voudrais à ce sujet euh, rassurer les Nigériens que le charbon minéral, sur ses propriétés chimiques, est beaucoup moins dangereux que le bois. Et beaucoup moins de. C'est vrai que le charbon à l'état brut contient du CO2. Nous avons des, analyses qui ont été effectuées au Canada. Si je prends seulement le volet CO2, CO2 la limite critique admissible de CO2, c'est de 0,5 à 5000 ppm. ppm, c'est parti par million. De 0,5%. Alors, le charbon de brut contient 3% de CO2 à l'état brut, il contient 3% de CO2. Le bois de feu contient 2% de CO2. Et le charbon minéral carbonisé contient 1% de CO2. Donc vous voyez vraiment les gens, ils, ont la crainte du charbon minéral hein, parce qu'ils sont tellement habitués au bois. Mais quand vous prenez, et vous prenez toutes les, comment on appelle, euh, tous les constituants chimiques, que ce soit le monoxyde de carbone, que ce soit le, sulfure d'hydrogène, que ce soit le dioxyde de soufre, que ce soit le dioxyde d'azote, que ce soit euh, l'oxygène et euh, l'oxyde d'azote, l'acétone, l'acide acétique, tout ça, les valeurs relevées pour le charbon minéral carbonisé sont inférieures à ceux du bois dans cet immense pays essentiellement désertique, les populations continuent de décimer les forêts pour euh, se fournir en bois de chauffe, sans se soucier qu'il donne un grand coup d'accélérateur au réchauffement climatique et à la désertification. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir euh, colonel Adamou Jibotraoré, directeur national de la protection de la nature et de l'équipement à la direction générale de l'environnement, Zamna Outahiru, directeur général de la Société nationale de carbonisation euh, du charbon minéral et Issa Garba, président du réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme Dissidio Kalangu qui vous parvient grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.